de la Fada, j'espère que vous allez bien. pour Du coup, dans ce numéro, nous avons déposé nos clics et nos claques chez nos chers camarades un Abmoumouni à Créé en 1971, le centre d'enseignement supérieur de Niamey est devenu l'université de Niamey en 1973. pour rendre hommage à ce grand homme de sciences qui était professeur de physique et recteur de l'établissement entre 1979 et 1983. Un jamais à Ayo sun kai kusan dubu talatin da karatu et ils sont environ 10 000 étudiants venus de tous les recoins du pays et même de la sous-région à vivre sur le campus selon un ancien cadre syndical étudiant. Dans ce Niger en miniature, on veut savoir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont comme avantages, mais aussi les contraintes liées à la vie sur le campus. y Rayo Take, a cikin Comment on irin matsaloli ne suke fuskanta? On en parle à l'arrêt de bus de l'université Abdelmouni de Niamey ce soir avec Alaj Irisale, il est ingénieur agronome. Ça va Salé? tu vas bien? Ah, alhamdulillah, bien merci. Comment margayi kanina gare ka. il <laughs> dai kuma wana ne. <laughs> Ya ne da dama. Ah, bien merci, alhamdulillah. Bonsoir le bienvenu sur tout à la Fada. Nous sommes avec Ismaël Daouda, il est étudiant en géologie licence 3. Ça va Ismaël? Ça va très bien, mon Allah. Ya ne da dama. Sanu barka barka da zakwa to kai ma barkan ka da zuwa fuskan shirin tusa lafada abdurrahman shefu biologiste en fac des sciences ça va abdurrahman alhamdulillah ça va ça va très bien to lahi alaule da dama wallahi da fatan a wannan fadar kun muna tare da Salisu Sulai il est master 2 de droit Salisu, ça va, alhamdulillah, ça va. Ah, dama, alhamdulillah. Bienvenue sur tout ça la fada. Également, Mahamadou Leyassine, lui, il est en L3 philosophie. Ça va, Mahamadou Ça va, alhamdulillah. Donc, dama, mon agir, 'yan mata kun san su ne masu ɗari ɗari bisa kan emission kin tamu daman to amma dai mun samu wata miss ta zo zata muna refonder bisa kan wannan fatar ça va miss tu vas bien da ça va ça va alhamdulillah so la bienvenue surtout à la fada merci beaucoup tunan naki ya ne badiya kadiya Je suis étudiante en master de recherche au département de lettres et communication. Super, sois la bienvenue sur tout ça la Fada. Merci beaucoup. Kuma, an kuka sani wannan fada dai ba ta ba a shakatawa kenan muna ta kuma da music din mu. Da rubrikin da Dondi yake sarrafa mana a kowane sati kuma da kronikin da Olivier zai mana da ita. Hormis les facultés des sciences, agronomie, lettres et sciences humaines, sciences de la santé, économie et droit qui composent l'université Abdou Moumouni, akwai gurin da 'yan jami'a kuma suke rayuwarsu ta yau da kullum. Wa'anda suka fito daga kingin Niger. Niger. kuma kai hannu kasashen waje ma yanzu dai za mu zuwa direct daga tambaya ta ta harko ga wanda bai san ba wannan gurin parle nous de votre cité an ce cité universitaire da mi da mi ake samu a cikin ta wa zan hara da shi ke honor odam <laughs> Tadi. Mhm. to daga cikin cité universitaire dai muna da wurin kwana mhm. eh, wanda ake ce ma batiman mhm. muna da wurin cin abinci muna da wurin karatu bibliotek kenan okay. e, muna da inda kuma muke asambili asambili namu da ake ce ma plus abe oh. e, akwai wurin motsa jiki sport kenan okay. e, kuma da wurin karatun kuma hallo eh wurin karatun kuma hallo okay. eh saboda mm. akwai tabuloli na karatu kuma akwai bibliotheque nan ga kuma akwai likita ah da likita da likita nan ga mm. eh yo abin ai gari guda ne wannan ba likita ai da <laughs> abin ba daɗi <laughs> gaskiya ga wanda bai sa ne ba wannan wani gari ne in gaya muku mm. <laughs> to alhaji idi salai jin engineer agronom yanzu muna nan gashin zancen mutane masu kwana masu kwana masu kwana wai ya ne ake samun wurin kwana a wannan duk wanda ya zo yana iya zuwa yi ya samu ɗaki yi rayuwa anan koko dai ya jar une façon de bon to kin san abin da ya shahi kwana mm. gaskiya abin dai ban san ba dai abin da za ni ce gaskiya sai yan pdp wanda dai suka samu wurin kwana eh. su suna da wurin kwana mai bile lambur kana mhm. iya samun shambur wani da mutum biyar da mutum shidda wani ya zo daga garinsu bai samu ba bai cikin atribitar na shambur don kai oblige ya samu wani aboki wanda ya sani inda eh, zai dan raba ya zo wurin shekwana haka nan ne dai ake ta rayuwa gaskiya yanzu sai dp salaman ka zo ka samu shambur wanda mutum biyu ne dai wanda aka rubuta ko kuma irin su ba tema eh. mutum hudu ne da yanda aka rubuta su suke kwana a to ka sayan pdp sila bi la bi social dc ko sayan pdp sila kana kowa ma la flipper uh, wani abokin shi in bai samu wuri ba sunan shi bai wuto ba ya samu shambur sai zo ga abokin shi ya mishi explique kwamsa ya yi kilandote wurin shi haka nan dai ne ake rayuwa wa'insu kuma akwai wa'inda ma cikin masu ke rayuwa cikin masallaci ma ne cikin masallaci ya eh, akwai wanda cikin masallaci ma suke rayu nan bari yanzu na ji cikin takardar kuka na ta kunce dubu talatin da biyar yake da kwai ah wai ki mil plus kin kwan kuka tsaya kuka diba aski sai family sank san plus in ba dan kwanakin baya ba da aka kara site annex su kuma an tuka site annex bisa AC container king da ke ya ci dakin da yake da kwai yanzu kashe karan jiya har wasu etudiant na gani a wajen academy da ya zarwa aka ce ko nan suke ɗaukan kurkoya eh haka nan ne ya kai nan eh ya kai saboda primary ne nan fakadelator eh Eh, ni dai a duka labarin da na samu sun kai ko dubu uku ko dubu hudu an firamera ne yan sikiri wow eh, na ga kinga babu inda za a samu sarkin da za ta yi jirgin eh, kinsu don san oblige to gaskiya abin da kake nan ga gayi idi abin wannan <laughs> mai yauni ne gaskiya na ban tsoro to wannan a soyayya mai yoya ne za a yi za a ci gaba yo kuma ka sani mai dalmi mun kai yanzu kama a ce akwai university a cikin jihohi kama akwai adoso a maradi a tawa kai duka jihohin ina ci presque suna da mhm, university mhm. kuma hai a ji hallo kuma a nan tanya mai kin hallo kuma mutanen jama'a da dama to ya ne wai kwatanta wannan abin ya yake ok to madalla eh, mun gode dai da harko da zuwan kunan wurin da ko ba mu dama mu tsokata abin bakin mu akan duka wannan vala eh, abin da ke sa ki ga wannan kin ga dai duka jihohin Niger masha Allah ko ina duka akwai jami'o'i da aka sabi ko mhm. to me ke sa ki gani kuma duk da wannan har yanzu Eh, jami'o'in nan ba su ai da aka yi su dama don a yi dai konsantran jami'a abdu ne a dan eh. walala irin wannan a samu ja eh, to madalla mm. to yanzu mine ne kin san mutane har yanzu niger surtu a wanda ke can cikin karkara shi suke idan ba ya mai ka zo ba kusa da abin ka wannan ne kake kusa da ilimin nan ne za ka dauka ilimi wanda yake shine mai dorewa eh, eh. banda wannan matsala kuma akwai wata matsala guda wadda cewa wasu sasoshin karatu cewa da wasu filiyar akwai wanda ba a samun su a can cikin ƙasa sai nan ya mai mm. gane ko don haka mutane kenan akwai wanda yake son yayi eh, wata filiyar wadda babu ita wajen su kenan dole shi ne ya taso ya taho ya taso ya zo eh fala kinnan kuma mm. akwai wani abu na biyu e bak masu samun bak wanda ke samun matakin bak na da da na yanzu ba guda ba ne ba sun rige sun ribanya a wancan gida hudu biyar har zuwa suna ya kai goma saboda yanzu siyasar da gwamnati ta zo da ita ita ce ta cewa a samu mutane su kai wani matakin ilimi tunda da su annan in kana da bak a garin ku. ai kai babba ne wallahi ko da masar ka koma a garin ku kai wa <laughs> wani babba ne to gwamnati ta gane da wannan cewa duk kasashe sun ci gaba kowa ya dan dogon karatu mai zulhi shine ake son kenan kowa ya zamo a ce ya kai wani matakin karatu wanda yake iya zama gashi nan bakin gwalgwado dai to shi yasa ke ganin kamar kaman yin duka suna cika yadda ke ga nan tana da mutane ko can kika je a lantirar hallo mutanen ne ma mutanen ne dankam dankam kam yadda ba a zato muhammadu layasin to mun gani dai abin da ya tabar kalla ana yanzu ko kana aikwatan tamun ita wannan rayuwar tanan ya take wai ya ni eh, kuke yin wai na ji daɗi ko ni da yanzu da nike nike nyamai yanzu aka ce min rayuwar site university rayuwar campus ban san baya take sai da kaji wani labari haka haka to ga mu rayuwar ya take ana ina nan cikin university yau shekara ta uku ban hita ba ban ina tunanin ban taba kwana biyu wani waje ba in ba nan cikin university ba hmm. ya an ka tambaye ni ya ne rayuwar university ke ina ganin je suis le mieux placé wanda ya zan ba da amsa abu na farko sai in ce university zamantakewar da muke yi muna zama zama lahiya yau kudi ba gani ai zaman lahiya na ya kai diyo jama'a suna gaisa nan kowa yana ta harkoki ne na aina na aina ko ina an mutane kuma kowa ana respectan juna e da yan kasuwa akwai masu business akwai masu sana'a uku akwai masu sana'a biyu akwai masu sana'a guda akwai wanda karatu ne kawai suke yi akwai wanda karatu na da sandika suke yi suke mamle sandika sai in autor equal da zina equal akwai wanda suna karatu suna sandika kuma suna business ga abubuwa iri organize ko gida ne aka gama mutane otan da persona ai da yanzu an cakule <laughs> amma kuma in an ka shiga eh. ciki profondaman rayuwat bayan wanda abin da kowa in yi biyo yana gani sai in ce rayuwar tana cikin yankeci tana cikin kunci me yasa ni ce haka nan mm. dan saboda yau wada malama kaji ta fara gai muna da wurin kwana muna da wurin menene muna da wurin karatu muna da wurin komi da komi duk abin da ya kamata a samu akwai su mai mm. amma ba su cikin kwandisiyon wanda ya kamata dan saboda mu yau shambur in dakin da muke batiman ka muke yau sai ga cikin shambur inda ya kamata a ce mutum biyu adda kwai sai ka iska ma mutum biyar yau balle lokacin zahina dole na sai ka iska ma mutum biyu sama wanga gado mutum biyu sama wanga gado kenan su hudu ko eh. ga mutum guda shi kuma kwanci dole na akwai matallu da aka soka ƙasa da sahi wasu su hayu saman tuwa wasu hayu su ko ƙasa su shinkida kuna iskewa har cikin masallacin ne. Tuma kenan infrastructure kin ba su isa ba. Ba su isa ba waɗanda ka kwana cikin masallacin nan nan wai suna da gidaje suna da sakunan su da komi cikin ɗakunan abukan su na suke don saboda babu wurin kwana na yanzu in lokaci sai a zo a kwanta sannan kuma in an ka tashi da sahi yau ni inda zan ba da hujja inda ni sani inda kullun niki mm. ba timanka nivo de ke yau nivo de babu duk inda ka yi wajen ka buɗe famfo kai wanka dole na sai an sabko ƙasa ga cunkoso kuma gashi matsalar kuma kana shiri ga layi kun kai ku wajen ku kuma ga mai shara ita ma tana son ta zo kuma ita ma ta yi hatta ya shara wani bi akwai nas iri-iri wanda kama babu tarankilite wanda e za ka jin bayan raspe da consideration tsakanin mu mu HDN da adda kwai amma ka zo taran killaman ka shiga ka hito ka yi kaza akwai wahala kuma yanzu in kun ka doka wajen fannin cin abinci eh ana ba mu abinci wada ya kamata me amma abubuwan ya matse kwarai dan saboda ni kaina akwai lokacin da ina da kur misali 14 mm. kuma 14 ne ake ruhe rastu sai ga ka shiga layi tun 13 kai ga ka lokaci yayi babu raspikin eh, program inda sun kai na abinci misali yau kowa yana da ra'ayi in kana da arba'in kinka baka da ra'ayin sai ka zo ka bata minti talatin cikin cikin wannan wai ba wani girman kaina ba ko kuma wani abin gahe in baka da sai ka tai kuma ka shiga yau kuma akwai ɗalibai waɗanda kuna ganin kowa da kowa hanga akwai masu ini ba su ci ba kuma shi wannan dan saboda mina na problem komi ya tsaya an yi dan abubuwa burus Ed social abubuwan da ya kamata a bada cikin lokaci ba a bada su cikin lokaci yanzu ka gane ko kai da ja wannan hira da kake nan gaban tabbas kan rayuwar kamfis kin ma kadai ta isa ta cika emission kin mhm. za na dawowa amma zan ba zan ba ma ita wannan miskin da take tare da mu kadi za ta ci gaba ta karga mun tunda ka gani kai da bikin ka na eh, samari na 'yan mhm. mata kuma tana aiwa ita akwai wani bambanci mhm. amma kan in zo gare ta za mu ta yi mu shurari shi cikin rubirkin tashi dondi wannan gamin da wannan artist ne hira et on se retrouve juste après ami de la fada Mes chers compatriotes, Surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. de and gentlemen, la machine et les humains vous souhaitent la bienvenue sur cette rubrique intitulée L'artiste s'exprime. Une rubrique consacrée à l'artiste tout simplement. Cette rubrique se passe comme ça sur l'émission Tous à Fada, produite par le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Le Niger et le monde entier est certainement scotché. On parle de l'art dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de la musique. Et eh oui, la musique en principe se joue avec. Euh, un instrument, un instrument de musique. Ça peut être du kalangu, du djembé, du gumbe, de la guitare, batterie. Mais aujourd'hui, la règle est exceptionnelle. Nous recevons sur cette émission un homme, pas n'importe lequel. Cet homme incarne l'orchestre en lui. Nous l'appelons l'homme orchestre. Fiaxi, la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, pourquoi on l'appelle l'homme orchestre. Il fait tout avec sa bouche, avec aussi sa calebasse. Fiaxi, dit la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci. Tu n'es plus à présenter, mais les jeunes kiffent cette émission. Les jeunes sont scotchés à travers donc euh, les huit régions du Niger. Les jeunes kiffent aussi cette émission à travers euh, le site du studio Kalangou les samedis et le dimanche à partir de 18h15 minutes et sur les radios partenaires sur l'émission Tout ça la et ces jeunes veulent en savoir plus. Fiaxi. Parlons de Fiaxi. Qui est Fiaxi Alors, Fiaxi est un jeune artiste du Niger. Ah! Slammer, euh, rappeur, chanteur mhm. et percussionniste, comme ça se voit. Mhm. Ton nom à l'état civil Alors, mon nom à l'état civil, c'est Fiac. Fiacre. Oui. D'accord. Fiaxi vient d'où Fiaxi, c'est juste euh, une envie de, d'avoir deux noms, euh, un, nom surtout qui vient un peu des localités du Niger. Qui, le Si, ça vient de la dynastie des Si, dynastie ah, si, donc, ah ouais, bien sûr, donc le Si vient de là-bas. De euh, là-bas, oui. Donc c'est juste un nom que j'ai adopté. Hein. Comment est-ce que tu es venu dans la musique alors, je je sais pas par quel chemin, mais déjà quand on était enfant, on joue beaucoup avec mon petit frère. Tu sais, avant dans les mariages, on invite les, les groupes orchestres. Orchestre, oh, bien sûr. On a vu les voilà, Star Stars et tout, ça, ça, chanter. Et en fait, euh, il y a les grands qui invitent les grands artistes et les petits entre eux. Euh, ils, font, euh, ils font le show. <laughs> tu faisais partie des artistes invités par les petits. les <laughs> petits. et tu jouais quoi ah bon, moi je chantais à la base et mon petit frère il jouait à la batterie. À la batterie fabriquée, par vous-même à la maison. Oui, oui. par des concours des kissing kissing et tout ça. Je fabriquais aussi des <laughs> petites guitares. On a fabriqué une espèce de micro. Oui. Voilà, donc c'est parti de là. Vous, faites danser les petites filles, quoi. Oh, <laughs> on fait danser tout le monde. tout le monde, sans exception. Alors, Fiaxi, on t'appelle l'homme orchestre. Je sais pourquoi on t'appelle l'homme orchestre, parce que tu as fait tes preuves tout à l'heure. Mais moi, ce que je voudrais savoir, la question qui me hante, quand est-ce que tu as su mhm. que tu as cette possibilité, euh, n'est-ce pas, d'avoir des instruments de musique partant déjà de tes lèvres Quand est-ce que tu as ah. découvert cela alors, euh, en fait, à la base, moi, quand j'avais commencé professionnellement, c'est-à-dire euh, j'ai tout laissé, tout mes études, tout, tout, tout. Pour, te consacrer à la musique. À ça. Oui. Je voulais un truc euh, original, je voulais vraiment. Authentique. voilà, je voulais qu'on qu dit, voilà, entre mille artistes, voilà, Fiaxi aussi qui est là. Mhm. Et pas forcément pour être le meilleur, mais pour être juste différent. Voilà. Donc j'ai cherché beaucoup, donc j'étais tout le temps en train de chercher et, un jour euh, c'est parti de là où j'ai persévéré, persévéré, et un jour paf c'est... Et c'est parti comme ça. Mais dis-moi, est-ce que ça t'a amené loin J'ai vraiment eu euh, beaucoup, de, beaucoup de portes. Mhm. <laughs> Donc euh, j'ai eu à voyager énormément. Bon, je sais pas si c'est énormément, mais j'ai eu quand même à voyager. J'étais à Bamako. Tu as fait le tour du monde dans ta façon. Bon, à ma façon, ouais. <laughs> J'étais à Bamako hein. où j'ai joué sur un festival sur le même. Il y avait Yamadou et Mariam qui ont joué. Donc pour moi c'est une, belle fierté. J'ai joué à Paris, euh, au pied de la Tour Eiffel. Ouais, j'ai vu ton show là-bas. Hein. J'ai joué à Luna qui est... Oui, au Festival Ouassan Africa, la 14e ah, édition, de était ensemble. Hein. C'était donc le premier angle, les 10 ans de gentleman. On se prend donc demain à partir de 17h45 sur les radios partenaires du studio Kalangu. Même heure, même fréquence, pour parler de la carrière de l'artiste, pour parler de ses projets musicaux. C'était dans Di La Main. Chine et Fiaxi. Aujourd'hui, à la FADA, on est bien entouré. Nous sommes à la rue de bus de l'université Mouni de Niamey avec nos chers camarades, nos amis de la FADA. Ils nous ont accompagnés euh, tout au long de cette aventure. On était là à la place AB à deux reprises. Ici même, à la rue de bus, plusieurs fois. Donc, on continue de parler euh, aujourd'hui de leur vie sur le campus, ya ne suke wannan rayuwar tasu a cikin wannan jami'ar wanda suke rayuwa a nan wanda suke kwana a nan suke tashi a nan ya ne wannan rayuwar ta suke menene kuma matsalolin da suke fuskanta cikin wannan zaman da suke a wannan wurin hira shi ne muke nan gayi tare da Bade Duratu Kadi da suma avec euh, Alhaji Idi salai lui le est ingénieur euh, Ismaël Douda, étudiant en géologie, licence 3, Abdourahman Chefou, biologiste, fac des sciences, Salis Soleil, il est un master 2 de droit, Mahamadou Ouléa il est en L3, philosophie. Comment, Wassou, invité Kinna Mahalouna euh, ils nous ont rejoints. On, va poursuivre. Euh, ah, toi, on te connaît. Hein? Lui, c'est un ancien. Euh, ah, ah, c'est Emmanuel Robert. Ça va, Yaka Kiradama. Sois le bienvenu surtout à la Fada. Quand je l'ai dit, kadi je t'écoute comment ça se passe la cohabitation entre étudiants quand ils parlent vous êtes assez bien organisés comment ça se passe la cohabitation entre vous entre nous euh, la cohabitation elle est vraiment euh, appréciable parce que il a parlé un peu du respect, surtout c'est tout ce qui fait eh, le vivre ensemble. S'il y a le respect, je ne vois pas si on peut peut-être euh, constater un certain nombre de problèmes. Hmm. Mais peut-être à l'intérieur, si on rentre au fin fond, comme il avait dit, on peut peut-être citer un certain nombre de petits problèmes qu'on peut rencontrer ici dans la vie universitaire. Nous sommes ici ensemble avec les camarades garçons, même si nos bâtiments sont différents. Hmm. Euh, vous allez retrouver les camarades filles dans le, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C et le bâtiment E, plus ah le bâtiment puis de l'autre côté de la cité Saint-Qui. Ici, peut-être c'est qu'on peut avoir comme acquis ici en vivant à la cité universitaire, on peut étudier jusqu'à une heure tardive, on n'a pas assez de problèmes, tranquillement, librement, on peut revenir dormir et retourner à la fac peut-être pour faire le cours de la matinée. Et euh, dans les bâtiments, comme il l'ont a évoqué un certain nombre aussi de problèmes, c'est-à-dire le problème de, je ne sais pas, de, problèmes sanitaires, problèmes de, de, je sais pas, la surnombre. en mm. fait, oui, on peut rencontrer ce genre de problèmes parce que souvent à l'université, euh, on peut constater que tout le monde est patron. Il n'y a pas, et on ne respecte pas la hiérarchie en fait, parce que quand vous avez un petit problème dans votre chambre, mm. et vous rédigez une demande pour expliquer le problème qui se pose dans votre chambre et après, le service va passer pour faire. Mais souvent, on constate qu'il y a un certain nombre de retards. Et là aussi, c'est parce que vraiment les gens ne font pas vraiment leur travail comme il le faut. Mais les gens sont en train de faire vraiment de leur mieux pour pouvoir imposer un certain Je sens que, en fait, mm. même si c'est géant quand même, mm-hmm. c'est comme si en fait c'est dans une maison où que tu peux aller où tu veux, à n'importe quelle heure. Ça va, la sécurité quand même. ici, vraiment, vous pouvez circuler jusqu'à 2h, 3h du matin. sinon, hmm. vous allez voir jusqu'à 2h du matin. Ici, c'est comme si vous êtes au marché. Il y a ceux qui font la fada la nuit, il y a ceux qui font la carrière, il y a ceux qui s'exercent, il y a ceux qui partent à la bibliothèque pour étudier. Tout ça, là, vous pouvez le voir. Surtout quand on a des âges, vous allez voir souvent, nous sommes euh, à la place jusqu'à 5h du matin. Ah ouais Ouais. C'est sympa ça quand même d'avoir au moins ça quoi parce que sinon avec tous les problèmes qu'on a lutte qui étudiants ce qui mené à 9 février avril c'est vraiment des luttes des années à a mené y a basta quand condition de vie kinku condition de tout kinku yani an samu dan un gaba kadan in un, enzo ka Robert yani tout le dama wannan duk cikin duka ake fandan tutsiya ne la bisa har an samu dan cigaba kaɗan ko même si j'entends quand même le problème de surnombre et l'état des infrastructures quand même ni abun da zan ce abun akwai saura har yanzu saboda abubuwan abun ne ke da yawa vu le nombre d'abord qui est là chaque année c'est des des milliers des milliers qui qui s'ajoutent. Et puis, vous voyez, les infrastructures sont peu les ressources aussi accordées et surtout le suivi de la King. Eh, wasi ralanti kenan in aka diba har yanzu kuma akwai abu da yawa wanda ya kamata a kara a duba kuma a gyara cikin tahiya saboda akwai matsaloli da yawa za ku gani kamar wanda mun kamar a doc ilayi ilayi enumerate yan certain nom de problem wanda ake nan garayen ta cikin cikin kuma wannan c'est la vie au quotidien en fait c'est pas quelque chose qu'il a inventé c'est le quotidien peut-être même c'est son vécu qu'il vous a raconté ou même peut-être c'est mon véhicule qu'il vous a raconté c'est possible donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et que voilà il suffit vraiment d'être parmi nous de vivre avec nous on peut le constater de visu Moi à ce niveau a su nivo à kamata a Je a sake lalantawa a samo sabbin dubarori sabbin politique wanda za a yi vraiment kuma kuɗi surtout arziki wannan kuɗi ya kamata a yi investir au maximum pour que vraiment voilà a injecter au maximum pour que vraiment l'étudiant puisse se sentir dans la peau d'un étudiant. Vraiment, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce niveau. Merci, Merci bien. Akwai kirwar ƙarin bayani bisa kan wannan tambayar tawa kamar irin matsalolin da kuke samu duk da dai tout au long de la discussion sun yi to in akwai kamar wata hallo da ba a samu aka gai ba anan da kuke iya ƙara tana mana? Eh to abinda za mu iya tuna muku. Mhm, Ismail. Rayuwa ta jami'a. kin ga na farko a cikin ɗakin da za a baka ba kai kaɗai za a ba shi ba ba kuwa ke da samun shan burshi kaɗai ba kin ga aksari za ku kasance ku biyu ne ku uku ko ku hudu wanda za a haɗa karshe ba tabbat bane mutum wanda ka sani ta kai ba ka san shi ba shi ma da wata jaha ya huto kai ma da wata jaha ta huto yanzu zaman ne zai haɗa ku tare kin ga yanzu zaman da za ku yi ba ku san juna ba zaman dole sai an kai zuciya nesa saboda shi baka san halayyar shi ba shi kuma bai san halayyar ka ba <laughs> yo an san halin ma a gida ma firar esuwar ma ana <laughs> wata sai a hankali Eh, ya aka zamna to saboda shi wannan akasari akwai wadansu 'yan matsaloli da ke faruwa bale wajen ma 'yan mata parce que moi j'ai été délégué eh, de la commission bâtiment on a pu régler ce genre de problème 'yan mata za ki ga rayuwarsu akwai matsala kullum maki yawanci tsakanin eh, voisin da voisin gaskiya kin gani ko to hakan gani ko wajen mazan su ma haka ne za ki iska a cikin shambur guda amma matsaloli ba sa kariya amma duk da haka kuma rayuwa tana daɗi saboda akwai taimakake na ta juna saboda yau in ina da taka in wala banna da kuɗi kin ga makwabcin nan ba zan kina in yana da abin da zai bani sai ba sai ta doko da ke abin tikan shin na resto ya je ɗauko abinci a resto ya zo ka mu ci kin ga rayuwar nan tana yin daɗi ko Bani da wani dan sabulu na sai in doki na shin in yi wanka in dawo in ashe mushi in ga gode kuma hakan gane shi ma ni ma hakan gane yarda man da shi ma sai in taimaka mishi kuma daga haka zaki ga rayuwar tana daɗi tsakanin ecidiyan har cikin kuluwar ma saboda makwabcin yau in ya yadda hoshi in bai ta ba wani dan yadda hoshi bai da dan gishiri sai je leka wajen wancan sai ce kai wane dan mugumin dan gishirin nan dan kara mun yata eh in ya ida kuma ga ta shi zai ce to zo mu ci abinci tare zo mu ci kin ga rayuwa mai dadi kenan wai franchement ça va quoi kun ji dai hira da muke tare da wa'annan yan jama'a yanzu za mu dan shakatawa wannan shirin daman da muke kun san tusa alafara sai ana yana dan shakata kadan yanzu sai ku ga mun a kun akwai wata waƙar kuke so in sa muku kace asa na yi ganin cewa a sa abin da yake kadire da rayuwar ichidiya musamman akwai abubuwan da an kai nan waɗanda da an ji su ma ko an sayan kadir ma waɗanda suke bisa teren sun ka hutu nan cikin wannan rayuwa da sun koma sai za su ji su tuna da irin rayuwa na wannan manzan university bala ok ta galvaniz kwa mamman barka ko mazan university to kun ji wakar ciki sa a sa musu a wasa su wa'annan 'yan university abu mummuni Et on se retrouve juste après cette chanson qui parle à tous les étudiants de Abdou Munit. fara za mu ci gaba da ita ko in ce mun kusa zuwa karshen wannan shirin namu da muke tare da 'yan jami'an abu mun yau da suka gayyace mu mun zo ga muna a a radio bis ga munan cikin jardin da ke fas a radio bis tsohon a radio bis muna nan muna hira bisa kan rayuwarsu ta yau da kullun da suke a wannan jami'ar irin matsalolin da suke fuskanta kuma da irin dama da suke samu a cikin wannan rayuwar tunda dai on paper dirka negative to hira wannan muna nan garanta tare da Badie Douratou, Kadija, Idi Saleh, Ismaël Dauda, Abdraman Chefou, Salif Suley, Muhammadu Leyassin, da kingi wanda suka zo suka tarda da su Robert. Za mu ci wannan shirin da wannan tambaya ta ta karshe. tu peux nous dire en quelques phrases euh, voilà on a l'appel que j'aimerais lancer, mhm. peut-être pour avoir peut-être un peu de solution par rapport au problème auxquels font face les étudiants ils ont parlé de l'insuffisance des infrastructures. Hmm. Si vraiment nous pouvons avoir un gouvernement assez euh, conscient pour qu'il puisse vraiment revoir sa manière d'investir, les investissements que hmm. le hmm. gouvernement a l'habitude de faire pour que qu'on rehausse un peu l'enveloppe qui est allouée à l'éducation, surtout à l'enseignement supérieur, pour qu'on puisse vraiment éradiquer certains problèmes. Si vraiment nous pouvons avoir des gens qui peuvent vraiment nous faire cela, ça c'est sera vraiment intéressant pour le pays, même pour la nation, même avant de parler peut-être de l'étudiant. yanzu c'est sur le retard académique vraiment là l'appel que j'ai à lancer c'est au niveau de l'état que les autorités quand même étatiques euh, prennent des dispositions nécessaires, bien que je vis certains arrêtés qui portent quand même sur les responsabilités de tous les responsables académiques au niveau de l'université, directeur jusqu'au dernier enseignant. Mais on constate, nonobstant ces textes, que y a toujours les retards qui s'apaisent sur les étudiants. Matsalolin daban-daban ne, kun san dai akwai yajin aiki da aka yi ta yi daban-daban. Wajen shugabannin makarantun da cewa mushanni mm. sun yi ta yajin aiki kowa ya gani tsawon shekaru. Kinnan kuma akwai yajin aiki shi ma na mukan mu ɗalibai wani bi saboda rayuwar mu cikin kunci ne. In gida miki cikin wata karamar jahannama ce muke. Yanzu kaga dai da na so a ce kowa ɗan wannan amma ina ji ku bikin wannan kun yi dan resumen irin matsalar da ke da kwai anan kuma tutolon dai mun ji preoccupation kinku lokacin nawa na emission kina ya kare amma kanan zani anon chronique chronique Olivier. Cette fois-ci, dans sa chronique, on va voir Mr. Oli. Il vient avec quoi On va accueillir Olivier et sa chronique et on se dit au revoir officiellement sur cette émission. Amis jeunes, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur une question environnementale. Et cette chronique est une recommandation de la rédaction du studio Kalangu. Nous entendons les spécialistes parler toujours de l'impact de nos actions sur notre écosystème. Ils nous parlent des effets que nous observons provoqués par le dérèglement climatique. Il s'agit entre autres des différentes pollutions, des inondations, la fonte glaciaire, la disparition de certaines espèces animales et végétales. Bref, la liste elle est longue. Eh bien, c'est pour atténuer ces phénomènes résultats de nos actions que les États du monde entier, certains plus impliqués que d'autres, se sont engagés à lutter pour réduire le gaz à effet de serre à travers plusieurs actions. Nous savons également que les voitures et les usines polluent l'air abattre massivement les arbres ou encore les feux de forêt nuisent à l'environnement. Mais à l'ère de la technologie, savez-vous que le stockage massif de nos données sur un ordinateur, un smartphone, ou un serveur a un impact environnemental Bien, mon petit doigt me dit que la grande majorité ne le sait pas encore. Eh bien, tenez-vous bien, la pollution numérique des données existe. Vous vous demandez comment est-ce possible Eh bien, c'est pour édifier les populations qu'une journée mondiale appelée le Cyber World Cleanup Day, initiée en 2020, est célébrée ce 20 mars 2021 pour supprimer les données stocker. Selon les sites internet www.cyberworldcleanupday.fr, les fichiers non utilisés ou devenus obsolètes sur nos équipements occupent de l'espace disque et consomment inutilement de l'énergie, ce qui nous pousse à acheter de nouveaux équipements pour pouvoir stocker plus. Et cela impacte sur la planète. Je vous donne un exemple. Vous avez un ordinateur, cet ordinateur devient de plus en plus lent, c'est tout simplement peut-être parce que il y a eu assez de données que vous avez stockées sur cette machine et ça vous pousse à aller payer un autre ordinateur et cela impacte sur la planète. Donc, chers utilisateurs, il nous incombe tous de nous y mettre très rapidement. Nettoyons nos données pour maintenir propres nos équipements de stockage et leur donner une longue durée de vie. Tenez, en guise d'exemple, lors de la journée de 2020, 22 Tera de données ont été supprimées par 6500 hommes femmes contributeurs. Il s'agit de 2,5 millions de mails supprimés, soit 5 terras de données, 15 millions de fichiers supprimés, soit 14 terras de données, près de 747 applications et d'autres. Chers amis, c'est probablement difficile pour beaucoup, mais pour illustrer la situation, ce site internet estime que l'équivalent des données nettoyées à près de 2,3 millions de kilomètres en voiture ou encore 12 622 ampoules allumées pendant un an. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas Alors, Rejoignons le mouvement. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. À demain avec Mister Dandy pour une nouvelle chronique toujours et toujours alléchante. Merci Olivier, merci pour tes chroniques toujours aussi riches. C'est la fin de l'émission Tous à la Fada de ce samedi. On était avec les étudiants, nos chers camarades de l'université Abdou Moumouni. Autour de la table, on a parlé de leurs préoccupations, de leur vie sur la cité universitaire, de ce qu'ils ont comme avantage. a business business il Mona fará.